Fait par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. cinq projets de loi soumis à l'appréciation des députés, les trois concernent le secteur de la justice. Ainsi, les projets de loi portant institution du code pénal et celui fixant l'organisation, et la compétence des juridictions de du Niger ont fait l'unanimité contrairement au projet de loi déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure à suivre devant elle, objet de toutes les divergences. Le premier modifiant le code pénal qui nous permet désormais euh, une mise en cohérence de nos textes avec les recommandations du JABA à l'occasion de l'évaluation du Niger. Deuxièmement, tôt, euh, nous avons modifié la loi sur l'organisation judiciaire pour permettre qu'un décret pris en Conseil des ministres puisse accorder des indemnités aux assesseurs coutumiers et aux assesseurs près les tribunaux du travail. Le dernier, euh, sur la Cour constitutionnelle, dont l'opposition a salué la clarté, la pertinence et la nécessité des modifications, on a constaté à la dernière minute, euh, évidemment, que euh, l'opposition a appelé à une abstention de ses membres. C'est son droit. Je pense que c'est s'ils étaient fondamentalement contre, ils allaient tout simplement appeler à voter contre. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont voté à une abstention, ils n'ont eu que 13 voix. Et je pense que euh, c'est une abstention politicienne qui ne remet pas en cause fondamentalement la qualité de la réforme. L'opposition parlementaire explique les mobiles de son abstention. Nous l'avons bien expliqué dans notre euh, explication de vote. Les tests ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer. Vous n'êtes pas sans savoir que ne serait-ce qu'hier, à cause de certains actes posés, je ne dirais pas par la Cour constitutionnelle, mais je dirais plutôt par les acteurs de la Cour constitutionnelle, l'opposition politique a demandé la démission de ses, membres. Parce que ce n'est un secret pour personne. tous les acteurs, à 100%, ils sont d'une même coloration politique, notamment le parti politique euh, de le président parti politique de la majorité. Et le problème c'est que ils ne sont pas impartiaux dans leur euh, prise de décision. Le quatrième projet de loi fixant les principes fondamentaux de la construction et de l'habitation sera voté à la majorité de 118 voix pour, 0 euh, contre et 0 abstention. C'est vraiment pour encore améliorer le dispositif juridique qui permet d'avoir des constructions de qualité. Parce que nous avons pour devoir d'assurer la qualité de construction, d'assurer la sécurité donc, des personnes et des biens. Parce qu'un un immeuble, il abrite des personnes ou bien il abrite des biens. Et nous devons veiller à la qualité de sa construction. Et donc, euh, nous avons remarqué, il a été remarqué, le gouvernement a, remarqué qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans l'ancienne loi. Et ce sont ces insuffisances qui ont été relevées et corrigées. Enfin, les députés ont voté le projet de loi relatif au statut autonome des enseignants enseignants-chercheurs du supérieur. Le mercredi 1er juillet 2020, le président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tini, va prononcer le discours de clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2020. Cet atelier de formation initié par le projet USAID Shiga en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication a regroupé autour d'une même table toutes les institutions étatiques de redevabilité et la société civile nigérienne afin de mieux les outiller sur les principes de bonne gouvernance, ceux de la responsabilité et de la redevabilité. La République du Niger est bâtie sur des institutions légitimes émanant de la Constitution du 25 octobre 2011 celle-ci assure l'égalité des citoyens et garantit le service public de qualité qui prend en compte le rôle important que joue la société civile dans le développement du pays. Qu'elles soient étatiques ou gouvernementales, ces institutions jouent un rôle prépondérant au service du citoyen pour lequel nombre d'elles sont redevables. Leur efficacité est fonction de leur transparence, de leur accessibilité et de la qualité du service rendu aux citoyens. Aussi, les citoyens et les structures de la société civile doivent-ils s'impliquer davantage, aussi bien en conjuguant avec les institutions étatiques qu'en les saisissant au moins de voies de recours le cas échéant, pour qu'elles assurent les tâches essentielles, leur vitalité, leur vitalité en dépend. Facteur inclusif démonstratif de la dimension participation, intervention et de partage de responsabilités, la redevabilité est donc gage de bonne gouvernance. C'est pour cela que le projet SUGA et le CC on convenu d'organiser cet atelier qui nous réunit aujourd'hui afin de rassembler les institutions essentielles de redevabilité et les organisations de la société civile au plus haut niveau pour connaître davantage les rôles et les domaines d'intervention de chacun. Le programme Chiga de l'USAID vise ainsi à accompagner le Niger pour un objectif bien déterminé. Le programme Chiga qui nous euh, donne l'occasion de nous réunir à euh, nouveau ce matin a euh, été conçu et financé pour l'Agence américaine pour le développement international USAID Niger, entre 2016 et 2018, une équipe de l'USAID Niger a mené des consultations à grande échelle avec les institutions publiques, les partenaires au développement et les membres de la société civile nigérienne. Et c'est sur la base de leurs contributions que ce programme SHIGA a été développé. Ce programme vous appartient et vous devez lui donner vie à le faire prospérer. Je voudrais dire quelques mots en Hausa maintenant. Hanudaya Baya Daukarajanka. Dans l'unité, nous pouvons gagner. Ainsi, durant cet atelier, les institutions étatiques de redevabilité et les acteurs de la société civile nigérienne verront leur capacité renforcée en ce qui concerne certains principes de bonne gouvernance. on effectue un changement pour maintenir ou améliorer un score. Après ça, il n'y a pas de définition d'autres changements. Non, si maintenant ils ont fait le changement, ils pensent que c'est pour maintenir leur score, leur performance, ou bien pour l'améliorer, c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Voilà en tout cas pourquoi on fait un changement. Mais des têtes sont tombées et des têtes ont été déplacées pour être mises en tout cas dans, des portefeuilles ministériels. Je pense que ce changement a un objectif totalement politique. C'est peut-être un changement à vision électorale. En six mois, qu'est-ce qu'un ministre va connaître dans son cabinet Qu'est-ce qu'il va connaître dans son cabinet en six mois Faire quelque chose Parce que quand on vient pour connaître déjà euh, euh, euh, son ministère, il faut effectivement les six mois. Proposer des nominations aussi au niveau de son ministère. Faire partir les gens qui ne, sont, qui ne lui conviennent pas et maintenant remplacer par d'autres afin de commencer chose. De toute façon, hein, le mandat du président de la République, en tout cas, est presque terminé. C'est la fin du deuxième. Le travail, en tout cas, de l'amélioration est déjà terminé. Maintenant, nous sommes dans une période prépare les élections pour des euh, choses. Donc moi je crois qu'en voyant cela, les six mois qui restent, il ne faut pas mettre de nouvelles têtes. Il faut bien jouer avec les autres qui sont là-bas. Ça devient en effet une forme de délit, ça devient une forme de darankodako. On a un peu à remplacer les gens et puis on souhaite bonne chance en tout cas pour que ça soit réussi. Le gouvernement reste pléthorique. Juste c'est une personne qui a quitté le gouvernement c'est un remaniement qui prend en compte la situation réelle du pays. Comment vous pouvez imaginer le Niger avec ses 21 millions a le même nombre de ministres que le Nigeria qui a près de 200 millions. Mais c'est quoi cette affaire Et dans des situations comme ça, comment vous pouvez imaginer mettre fin à des tournois un gouvernement essoufflé, qu'on traîne à longueur d'année, et on ne veut pas le réduire. Eh, vous cherchez quoi Voilà le problème. Voilà le véritable problème. C'est le même gouvernement pour le même train de vie de l'État provocateur. Mais il n'y a rien du tout. Pour moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit c'est encore une autre façon d'énerguer le peuple. Pour leur dire non, on ne vous écoute pas. On va maintenir notre gouvernement pléthorique, nous avons le pouvoir, nous avons la force publique, on fait ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a rien, nous ne devons pas parler de ça. quoi C'est juste une personne qui a quitté le gouvernement. Et le gouvernement pour l'autorité est là. C'est inadmissible. Il n'y a que ce pays-là. Ce pays est unique dans le monde. Comment vous pouvez Le Nigeria a près de 200 millions d'habitants. Nous, on a 20 et quelques. En extrapolant. Et on a le même nombre de ministres. Et eh, on est dernier en termes d'indice de développement. On est dernier. Nous, entre nous. C'est-à-dire les gens n'ont pas pitié de ce pays C'est une pandémie en Afrique. Et on a appris à vivre avec parce que les gens ne sont pas décidés c'est l'absence de l'amour d'un pays qui fait que les gouvernants prennent l'argent de l'État pour l'utiliser à d'autres fins. C'est ça la définition du détournement. C'est prendre le bien public. Le denier public, là, on l'utilise à des fins personnelles. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Sinon, il y a un mécanisme. La constitution de notre pays a dit que les biens publics sont sacrés et inviolables. Donc si on respecte la loi, il ne doit pas avoir de détournement parce que c'est la loi suprême de notre pays, c'est-à-dire la Constitution qui a dit que les biens publics sont sacrés et inviolables. Malheureusement, dans les faits, la gouvernance se traduit dans une impunité ambiante. Et c'est cette impunité qui fait le lit du détournement des biens publics. Vous allez me poser la question, pourquoi au temps de Kunche, les jeunes ne détournaient pas à grande échelle et avec des, des montants colossaux comme aujourd'hui Parce qu'à ce moment, il y a des détournements, mais quand vous détournez, mais on va vous appliquer la loi de telle sorte que quelqu'un d'autre ne va plus emprunter cette voie pour détourner. Mais aujourd'hui, c'est quand même vous détournez, on fait votre promotion. Si vous étiez à un petit poste, vous détournez l'argent de cette boîte-là. Maintenant, on fait votre promotion, on vous nomme à la tête d'une grosse société où il y a plus de sous à détourner et on ne fait rien, on ne sanctionne personne. C'est ça l'impunité et c'est l'impunité qui fait cela. Parce que pratiquement, la politique est devenue une sorte de prédation. Parce que les gens courent, personne ne veut être opposant. Parce que tout le monde veut s'accrocher à l'État pour s'enrichir illicitement. ce qui nous casse même la tête aujourd'hui, c'est par rapport à la mendicité. Faites aujourd'hui les feux rouges de Niamey, vous allez rencontrer des filles et des garçons de moins de 12 ans en train de mendier. Et les parents sont là dans un coin. Ils sont dans un coin, ils les attendent. Dès qu'un véhicule s'arrête, et ils viennent s'agripper au véhicule. Si tu leur donnes euh, des galettes ou si tu leur donnes du sucre ou des dates, elles jettent ça. C'est de l'argent il y a une somme qu'on attribue à chaque euh, talibé, suivant ton âge. Toi, tu es le plus petit, tu amènes 1000 francs. Ou même tu amènes 2000 parce que les gens auront plus pitié de toi. Toi qui es le plus grand. Et maintenant, à la fin de journée, s'ils n'ont pas cet argent-là, il y en a qui passent par autre chose. Ce n'est rien d'autre que le vol. C'est eux qui arrachent les sacs, c'est eux qui, qui suivent les femmes. Euh, Maintenant, tu viens, tu t'arrêtes, on dit Ah, maman, tu as une, une crevaison. Le temps que tu retournes, ton sac est piqué. Ils sont partis avec ton sac. Tu vois, aujourd'hui, si tu vas à la prison, la plupart des cas de vol, ce sont ces enfants-là. Un enfant qui va à l'école, un enfant qui est au collège, qui est préoccupé par ses études, il n'a pas le temps d'aller voler, il n'a pas le temps de chipper les sacs. Donc, ce sont ces mendiants-là qui sont dans la rue, qui aujourd'hui en tout cas, se retrouvent avec une somme attribuée chaque jour qu'ils doivent amener à la maison auprès du maître. Et moi, ce que je suggérais, c'est que l'État, l'État nous aide, même s'il faut former en tout cas une assistance et une assistance policière. C'est des assistants et en même temps c'est des porteurs de tenue ou bien c'est des gens qui ont des, prorogatives de policiers, en tout cas qu'ils circulent dans la ville Autant de comptes on les prenait pour les amener à Daikana. S'ils ne restent pas chez eux cultivés, ils vont aller à Daikana. Ici, à y nous, on ne veut plus même le riz euh, euh, importé, on veut le riz local. On peut les amener sur les champs de riz, ils vont faire. Comme ça, ils vont laisser les enfants travailler, ils vont laisser les enfants aller à l'école. Nous, on veut vraiment que l'État nous aide. La société civile est prête, mais on n'a pas les moyens des fois. Même si pour se déplacer, c'est tout un problème journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.